L'article 92 nouveau, alienateur de la loi 2021-38 du 3 décembre 2021, modifiant la loi 2013-10 23 décembre 2013. En ma qualité de représentant de l'État et au terme de l'article 95 nouveau de la dite loi, M. Kaou Voyez, vous lever, je vais vous installer officiellement dans vos fonctions de maire de la commune de Tassel. Mes félicitations, monsieur le maire. Nos voeux de succès vous accompagne. Je vous remercie. La main. procéder à l'élection des avions au maire et présidé par le maire élu au suffrage universel direct et le secrétariat est assuré par le budget du conseil. Aussi, voudrais vous rappeler les termes de la loi 2010 du 21, du 28 mai 2010 ainsi à la parité. Donc c'est la loi 2010-11 du 21 mai 2010 ainsi la parité absolue homme-femme, article 1er. Je le cite. La parité absolue homme-femme est insuée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Son décret d'application, le décret 2011-819 du 16 juin 2011, stipule en son article 2 les institutions totalement ou partiellement électives concernées sont les conseils régionaux, municipaux ou ruraux et bureau ainsi que leur bureau et commission. Le Sénat, son bureau et ses commissions. L'Assemblée nationale, son bureau et ses commissions. Le bureau du Congrès, etc. Donc, voilà donc les termes du décret d'application de la loi sur la. Madame yoonu réew en tant que représentant d'État, l'état maanaam ku ñu Nous nous gi ñun maire Nous pare élection maire moom procès élection un membre de la la commission waaye damay fàttali li nga xam ne mooy loi sur la parité muy la loi 2010 11 du 28 mai 2010 mini si institution yi dafa am parité maanaam fu ñu tegee góor teg si wet gi jigéen teg góor teg jigéen teg góor teg jigéen si décret bi nga xam moo koy moo koy jëmmal muy le décret 2011 819 du 16 juin 2011 da koo firndeel si institution yi nga xam ni. Pour lañ ko war a defee ci conseil municipal c'est la bokk donc loolu la laa rappeler donc monsieur le maire veuillez prendre votre présidium pour l'élection des autres membres du bureau.